Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester à l'écoute euh, du forum du studio Kalangou au microphone Mohamed Maman. Vous nous recevez grâce à un réseau de 52 radios partenaires sur l'ensemble des 8 régions du Niger. À Maradi, ce forum est diffusé sur les ondes de la radio Garquois 107 MHz et la radio Sarania sur les 102 MHz. L'émission d'aujourd'hui porte sur l'usage du taxi moto tricycle à à Maradi, quel apport dans le transport urbain dans la région de Maradi, depuis l'avènement du tricycle en 2013, appelé communément états, les taxis ordinaires que nous connaissons ont laissé la place à ces engins à trois roues, et ce, de par leur mobilité qui facilite le transport dans la ville. En plus, cette activité est très prisée par les jeunes, car elle contribue à lutter contre la pauvreté, ont affirmé plusieurs conducteurs de ces tricycles que nous avons approchés. Cependant, bien que ces pratiques est accessible aux usagers, le transport avec les tricycles à a des revers. Notamment, il serait la cause de nombreux accidents à Maradi. Selon la police, plus de 800 cas d'accidents ont été enregistrés en 2021, dont 370 sont causés par les tricycles. Des chiffres que les responsables du transport vont apprécier dans un instant. Alors, comment est organisé le secteur des taxis motos tricycles à d'État dans la ville de Maradi Quelle est la contribution des taxis motos dans le transport urbain de maladie, comment mieux utiliser ces engins pour éviter tout désagrément, autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de ce forum avec nos invités. Nous avons comme invité Salih Soutounaou, directeur régional adjoint des transports. Euh, nous avons le commandant adjoint de la police municipale de la ville de Maradi, Hassan Iro. Nous avons Mohamed Nafiou, le commandant de la circulation routière de la police nationale. Amino Abdoulaye, président de la fédération des syndicats des conducteurs arrêt d'État de Maradi. Et enfin, Abdou Naneto, président de l'association des consommateurs de Maradi. Abdou Naneto, bonsoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux vous inviter à suivre la réaction de quelques usagers des taxis motos à détails dans la ville de Maradi. Le regard que j'ai euh, par rapport à l'utilisation des tricycles ici à Maradi, vraiment, je dirais que il facilite un peu la circulation, euh, si je peux le dire, la, je sais pas, la navette dans la ville à euh, un prix vraiment abordable, à 100 francs, 150, 200, ils peuvent vraiment vous amener à, un endroit un peu distancé. Mais ce que vraiment je condamne d'eux, c'est la méprise, sinon la méconnaissance du code de la route par certains d'entre eux. Sûrement, il y a, d'autres qui ont les permis, mais d'autres n'en ont pas. Euh, ce qui, du coup, vraiment cause euh, pas mal d'accidents de circulation dans la ville. Vous allez voir un tricycle, il vous double et sans pour autant mettre même son clienton, il s'arrête. Si tu n'es pas vigilant, vraiment tu peux le cogner par derrière et c'est toi le fautif vraiment, c'est au niveau de la conduite où je ne suis pas vraiment satisfait de leur activité. En vérité, je ne suis pas content du tout de la manière dont les d'État sont conduits, surtout chez les jeunes. On donne des engins aux jeunes qui conduisent dangereusement dans la ville. Nous sommes témoins de certains faits, par exemple avant-hier. Un eh, jeune conducteur qui m'a appris à accompagner d'un de ses amis prenait de la drogue devant moi tout en conduisant. Automatiquement, j'ai demandé à ce qu'ils s'arrêtent pour descendre, car si eux, ils n'ont pas peur pour leur vie, moi j'ai peur. Tu vois, c'est pas normal. Et n'en parlons même pas des accidents. Aujourd'hui, dès que tu entends un accident, c'est à des la cause. Rien qu'hier, une à des a renversé une amie. Il faut vraiment prendre des dispositions face à ces comportements. Alors, monsieur, vous venez euh, d'écouter la réaction de quelques citoyens de la ville de Maradi. Quelle lecture faites-vous de ces témoignages Nous allons commencer par ma droite avec vous, monsieur le directeur adjoint euh, de la direction des transports. Voilà, donc euh, merci pour cette opportunité et que la radio Garquois nous a offerte pour euh, dire mot par rapport à l'actualité. C'est vraiment une réalité de ce qui se passe parce que les citoyens ont dit effectivement ce qui est, c'est la vérité. C'est vraiment euh, déplorable euh, ce qui est en train de se passer et par ces des d'État. Merci beaucoup, monsieur le lecteur adjoint. Monsieur le commandant, juste sur, sur ce que vous avez entendu. La réaction vraiment de la population, surtout la réaction de la bonne dame. Euh, c'est des réactions vraiment alarmantes. C'est la réalité, vraiment la mauvaise conduite, et le mauvais comportement. Elle a donné comme exemple le tricycle à bord euh, duquel elle était, où le pilote est un autre, euh, un individu en tenue, et vraiment fumait quelque chose. Je ne sais pas, si c'est de la drogue, oui, bien c'est c'est excitant, là, vraiment, c'est vraiment alarmant. C'est de la triste réalité. Vraiment, le mauvais comportement des conducteurs, vraiment, euh, c'est euh, a attiré notre attention. Mon commandant Oui, j'ai entendu les différentes euh, réactions des citoyens. C'est une réalité mais ce que je voudrais dire, il y a d'autres qui ne sont pas autorisés à conduire les des d'État et qui le font. Ils ne sont pas autorisés et le, font. Et ce système de consommation de drogue, de drogue, c'est une réalité. Ils ont raison. Daneto, vous venez de suivre euh, la réaction de quelques citoyens. Alors, quelle, quelle réaction cela vous suffit moi, je n'ai pas besoin de réagir par rapport à ce qu'ils ont dit parce que c'est une situation que nous vivons au jour le jour. Donc, c'est des constats, c'est des, des, choses que nous vivons, c'est des choses qui sont vraies, c'est des choses qui sont palpables. Donc, si euh, on doit se prononcer, on dira beaucoup de choses, beaucoup plus par rapport à ce que les gens là ont dit. Et moi, d'ailleurs, je suis parti plus loin parce que euh, la semaine passée, j'ai eu même à discuter avec le gouverneur pour qu'il prenne des décisions par rapport à ce qu'on vit au jour le jour par rapport au, tricycle. Merci Daneto. Euh, monsieur le Président Amino Abdullahi, vous êtes le président de la Fédération des syndicats des conducteurs. Alors, vous avez entendu les citoyens. Quelle est votre réaction Bien sûr, merci. Donc, de nous avoir l'opportunité d'assister à ce genre de débat auquel on va un peu en parler de notre fonction qui a des détails. Et la population, les gens qui se plaignent, ils ont raison. Puisque du moins que nous qui dirigeons la structure, on sait qu'il y a l'implication des mineurs dedans et des inconscients. Donc on peut attendre à tout, mais Inch'Allah, avec le temps et avec les autorités, on va essayer de gérer l'affaire. Et Inch'Allah, on aura gain de cause. Alors, comment se passe aujourd'hui le travail euh, dans ce secteur C'est un secteur euh, qui est générateur de revenus puisque de tous côtés, tant État et tant nous qui le font, chacun trouve son compte. Mais ça nous reste beaucoup de choses à faire, puisque du moins qu'on a dit qu'il a remplacé les taxis tête rouge, donc a euh, des choses vraiment à revoir, puisqu'il y a une euh, nette différence entre taxi et tricycle à l'État. Euh, à combien estimez-vous le nombre de tricycles en circulation dans la ville de Maradi aujourd'hui Actuellement, on s'étend vers 4000. Donc le nombre exact, on a pour le moment 3563. Alors, monsieur le commandant, vous êtes aussi acteur dans ce secteur. Comment est réglementé euh, le travail La réglementation, d'abord, c'est les services de transport. Ensuite, la mairie, elle, elle donne l'autorisation, le titre. Ensuite, le OK. C'est ce que la mairie fait. Le titre, c'est sous présentation des pièces. La première pièce, c'est la pièce d'identité du propriétaire tricycle. La présente. Ensuite, le permis de conduire du conducteur. L'assurance de la moto ou du tricycle, accompagné de deux pièces d'identité du propriétaire. Ça, c'est pour le titre. Peut-être je vais me tourner vers vous, monsieur le directeur euh, adjoint des transports, pour euh, vous demander quels sont les critères à remplir pour devenir conducteur de tricycle à d'État. Donc il faut dire que cette activité a été déjà pris en charge il y a euh, vraiment beaucoup d'années, années, depuis 1988. Euh, le décret numéro 091 euh, du 10 mars 1989 réglemente le transport routier des personnes en zone urbaine et suburbaine. Alors, par rapport au titre de transport, en fait, comme c'est une activité génératrice de revenus, donc le titre de transport ici, c'est un titre de transport au niveau local ce que nous appelons l'étude de sport urbain. Donc, euh, pour dire que, effectivement, depuis 2013, les acteurs d'État ont fait leur entrée et ils ont substitué de façon directe, hein, je vous dis, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun taxi tête rouge qui circule dans la ville de Maradi. N'est-ce pas Donc les alliés d'État sont venus remplacer ces taxis tête rouge. Et la mairie en a fait de ces, de d'État donc euh, leurs partenaires directs. Effectivement, toutes les conditions que les taxis toutes rouges remplissaient avant pour, pour, pour, leur exercice, donc à des états défaites, à des états euh, doivent, les remplir, doivent les remplir avant leur activité. Dans le décret que j'ai statué haut, l'article 5 dit aucun véhicule employé au transport public routier des personnes en zone urbaine et suburbaine ne peut être mise en exploitation sans titre de transport. Ça, c'est clair. Maintenant, le titre de transport est délibéré par la mairie, par le maire de la ville et intéressé, après avis d'une commission consultative dont les attributions et les compositions seront définies par les arrêtés, et eh, par les arrêtés conjoints du ministère des Transports et du ministère des l'intérieur. Donc cela a été fait effectivement depuis un certain temps. Alors maintenant, qu'est-ce que nous nous constatons effectivement dans la ville de Maradi C'est des AD d'État qui font leur activité sans aucune condition préalable établie. Parce que le titre de transport, c'est le numéro là que vous voyez, le numéro de quatre chiffres. C'est ça le titre de transport. Or, ce titre de transport, normalement, avant d'être octroyé, le maire l'octroie sur proposition de l'avis du directeur des transports qui travaillent avec la police. Parce que dans les conditions, il y a ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Même si vous avez un permis de transport de, type D ou B, vous n'êtes pas autorisé à faire cet exercice parce que c'est un exercice très difficile dans la vie en communauté ou dans, dans les zones urbaines. D'abord, l'individu intéressé ou l'individu qui demande le, titre de transport doit d'abord attendre l'enquête de moralité. Le résultat de l'enquête de moralité, le véhicule en tant que tel doit d'abord remplir un certain nombre de, critères qui ont été échappaudés par le code de la route. Notamment, le véhicule, avant d'être mis en circulation, doit être d'abord immatriculé. Étant entendu qu'elle a été euh, dédouanée, doit avoir une assurance taxe civile n'est pas assurance euh, ordinaire, hein. assurance taxe civile, il doit d'abord présenter un permis de conduire de ce type. Il doit encore euh, présenter, ça c'est le préalable, la visite et contre-visite. Ça c'est fait au niveau des services de transport. Ça aussi, toujours ça c'est le préalable. Parce que la visite ici pour les taxis, pratiquement c'est chaque trois mois. Donc c'est pour dire grosso modo que cette activité telle qu'elle est en train de se faire à Maradi, ce n'est pas de cette façon que cela doit être fait. Et toutes ces conditions-là ne sont pas remplies. Et vraiment, c'est des jeunes qui le font souvent, qui n'ont même pas de permis de conduire, souvent qui n'ont même pas, qui ont un petit âge qui ne correspond pas donc euh, à l'âge et à l'activité en tant que telle. Ce débat est venu vraiment à point si euh, effectivement les autorités municipales nous entendent et alors ils doivent dire que cette activité doit vraiment se conformer aux dispositions réglementaires donc, de notre euh, pays et aux dispositions réglementaires de la ville en tant que telle. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Euh, euh, je vais aborder juste sur la question de savoir les critères à remplir. Aujourd'hui, le directeur adjoint de la direction des transports vient de dire que ces critères ne sont pas totalement remplis. Alors, vous qui êtes de la ville, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Ce que nous sommes en train de faire, c'est se conformer pour se mettre en règle. Nous, ce qu'on a fait depuis notre arrivée, on a restructuré et on a réorganisé la fonction des AD d'État. Quand on était venu, il n'y a, aucun fichier pour les AD d'État. Nous, on a essayé de les réorganiser et les enregistrer. Vous êtes parvenu à le faire ou bien vous êtes toujours sur... On, euh, on l'a fait, on l'a fait. C'est pour cela que je vous dis, on a 35-63 aujourd'hui enregistrés et qui sont en circulation. Monsieur le euh, Président, en tout cas, beaucoup de jeunes sont en train de faire cette activité. ça euh, remplit les critères. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Est-ce que vous êtes conscient de cela Actuellement, nous, nous, parlons de la question de la conformité de conduire à des d'État où vient d'avoir le titre de, transport. cest dire que c'est une affaire que même les autorités ont pu abandonner. Depuis que les taxis se sont disparus, donc euh, les aides d'État sont directement rentrés dans l'action et que leur arrivée, ça n'a pas permis aux responsables de voir comment ils vont gérer l'affaire. Puisque moi, je me pose la question, s'ils ont dit qu'on dit qu'ils remplacent les taxis tête rouge, j'ai dit non. Pourquoi Du moment que les taxis tête rouge, ils ont quatre pistons. Et que tricycle a un seul piston. Et que même auparavant, on nous disait que on paye la patente de taxis à 25 000 francs. Et actuellement, dont nous sommes, la patente de tricycles, c'est à 60 000 francs. Et que les conditions ne sont pas réunies. Auparavant, avant d'avoir un permis de conduire un taxi ou bien un, euh, un titre, il faut passer d'abord par la mairie. Il y a une enquête de moralité, soit disant qu'il y a un cabinet qui permet de se faire cela. Et maintenant qu'on a laissé l'affaire à la mairie, la mairie, elle trouve son compte. C'est quoi le problème Nous, maintenant, nous voulons à ce qu'on fait un cabinet spécialement qui va gérer l'affaire de d'état de revoir la situation, de reformer les choses Maintenant, au moins, avant d'être chauffeur de tricycle, remplit certaines conditions. Merci, Monsieur le Président. Euh, alors, euh, quelles sont les règles de conduite à respecter pour ces conducteurs, Monsieur le directeur de transport Les règles de conduite, euh, en fait, d'abord, c'est le code de la route. Donc, il a été même repris. Et j'ai pu vous dire en 2017, donc le décret d'application a été pris en 2017. Et je crois que les, responsables, les adhérents d'État et, un certain nombre donc de, euh, des services publics, donc, euh, dont la, police, et on, on, chacun ce qui lui concerne, donc, euh, ce, avec eux, donc, c'est ce code de la route. Et donc, c'est ça, en fait, notre, notre point commun en ce qui concerne la conduite. Donc, il faut s'en tenir de façon stricte à ce que dit le code de la route. Donc tout à l'heure, quand vous avez passé eh, eh, eh, les témoignages, donc vous avez le premier intervenant, vous avez dit qu'il dit, bon voilà, les adultes ils ne savent même pas comment conduire. Ils sont en train de partir tout, de suite. On dit, adultes d'État, ils s'arrêtent. Ce n'est pas comme ça. Le code de la route est là avant AD d'État et le code de la route est là pour réguler la circulation de manière générale. N'est-ce pas Pour qu'il y ait moins d'accidents et pour qu'il y ait fluidité dans la circulation. C'est ça, en fait, euh, euh, le, sens, si vous voulez, du, code de la route. Le danger des hadiths aujourd'hui, c'est la façon dont ils descendent les passagers. Ils n'ont rien à voir avec gauche-droite. Ils dépassent à gauche, à n'importe comment. Ils, prennent les, passagers n'importe comment et ils descendent les passagers n'importe comment. Et à chaque fois, que vous les voyez, ils sont en surcharge. Sur sa carte grise, c'est écrit place assise pour l'arrêt d'État maximum ici à Maradi c'est quatre, cest c'est-à-dire le conducteur, le pilote devant et trois personnes derrière lui. C'était même deux, mais compte tenu du fait que c'est une activité euh, vraiment euh, professionnelle et commerciale, donc on est obligé de créer, euh, n'est-ce pas, commandant, donc de faire vraiment diligence à cette activité. Il dit, bon, maintenant, il peut prendre les trois personnes derrière, mais pas au-delà de ces trois personnes. Donc, c'est quatre personnes au maximum à d'état vont prendre mais ce n'est pas ce qui est constaté dans la réalité. Alors, nous allons partir avec vous, Mohamed Nafiou. Vous êtes le commandant de la circulation. C'est vous qui contrôlez la circulation. Quelle lecture faites-vous de l'avènement des tricycles à Donc, euh, depuis l'apparition de ces tricycles, en ce qui concerne l'UPR et le service constat, donc euh, c'est nous qui gérons vraiment la sécurité routière qui concerne la prévention des accidents euh, sur, la, route dans le but de protéger les usagers, piétons, automobilistes, motocyclistes, cyclistes, et euh, tricycles et animaux. Donc, euh, ce que nous constatons aujourd'hui, vraiment, les tricycles sont en train de circuler vraiment anarchiquement. C'est ce qui est en train de causer ce désagrément. Merci, commandant. Abdou Eneto, vous êtes le président des consommateurs. Comment vous observez le travail des d'État Est-ce un plus pour les populations Vraiment, c'est un plus, mais malvenu. Puisque aujourd'hui, si on constate, il n'y a aucun tricycle à Maradi qui est en règle. Si on doit se conformer à la loi, il n'y a aucun tricycle qui doit circuler dans la ville de Maradi. Et là, c'est la vie de la population qui est en danger. En cas d'accident, le gars, il est obligé de se prendre en charge. Et ça, ce qui fait le plus mal, il y a les autorités qui sont là, qui ont accepté que cette activité se fasse. et dans quelles conditions. Parce que si vous avez entendu, euh, d'après ce que nos, camarades avec qui euh, nous sommes en débat, ce qu'ils ont dit, on remarque que vraiment, il y a un laisser-aller et il n'y a aucun contrôle. D'abord, un, pour avoir un tricycle, il faut que l'enfant ait l'âge d'avoir son permis de conduire. Il faut qu'il ait son permis de conduire. Ça, c'est Il faut que le tricycle soit en règle. Il faut qu'il soit dédouané, il faut qu'il soit assuré. Et en plus, il faut qu'il y ait la visite technique. Parce que tout part de là. Pour voir comment est l'engin, s'il est apte à prendre les personnes, puisque c'est professionnel et commercial comme vient de dire le directeur des transports. Vraiment, ce sont des choses qu'on doit, euh, qu'on doit s'assurer qu'elles sont là, qu'elles sont prêtes. Si le tricycle n'est pas prêt pour être accepté, pour faire le transport, vraiment, ça ne vaut pas la peine. On a remarqué des tricycles qui sont là, qui, qui cassent les pieds des gens, qui, qui, sont en train même de se renverser avec les, euh, les passagers, et les passagers se blessent, ils ne savent pas ou, porter plainte ou qu'est-ce qu'il doit faire. Et l'autorité est là, elle ne réagit pas. C'est la raison qui m'a amené chez le gouverneur la semaine passée. Et vraiment maintenant, c'est de voir, comme le président du tricycle est là, je l'ai entendu lui-même dire, comme la mairie trouve son compte. Donc ça veut dire la mairie est en train de fermer un œil. Donc moi, ce que je dis à la mairie, c'est d'ouvrir les deux yeux et de dire aux gens de se conformer à la loi. Bien que l'usage de ces taxis motos soit avantageux, ils sont la cause de nombreux accidents de la route. Aussi, des vols ont été commis lors des transports euh, sur les clients, entre autres. À titre illustratif, selon les données de la police, il a été enregistré en 2021 801 cas d'accidents, dont 635 avec blessures légères, 69 cas graves, 861 dégâts matériels et 20 homicides volontaires. Il ressort de ce bilan que les 370 cas sont causés par les tricycles. Alors, Monsieur le Président euh, de la Fédération de, de conducteurs d'État, comment expliquez-vous cet état de fait D'après ce que vous avez dit, c'est un constat amer. Et sérieusement, moi j'ai dit ce ne sont pas seulement les tricycles, les chauffeurs sont responsables des différents accidents qui se font dans la région de Maradi. Le constat que j'ai fait, c'est presque la conduite de Maradi à 80%, presque les gens conduisent mal. Je ne sais pas ce qui se passe, puisque chacun n'arrive pas à respecter la loi routière. Tout le monde est précis. Et que maintenant, avec l'événement des, tricycles, à chaque instant, on dit tricycle. Si ce c'était des taxis, ils vont causer le même cas. Puisque même à Niamey, là où il y a trop de taxis, c'est le même problème. Presque à moitié les accidents, les taxis sont les responsables. Et donc, si on dit ici à Maradi, c'est ça, j'ai dit oui et j'ai dit non. Pourquoi non Puisque je gère les responsables, je gère les, trucs des tricycles à des Avant, il y a deux catégories de chauffeurs. Quand vous prenez du matin, du 8h à 13h, ce sont les vrais chauffeurs qui conduisent les AD De 13h jusqu'à 20h, ce sont ceux qu'on appelle Kamamoni. Et ils font de n'importe quoi pour avoir le temps de gagner tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, au moins pour Toujours est-il que ce sont les, tricycles. Donc, dans ce cas-là, c'est pour cela que nous sommes en train de dire qu'il faut qu'on crée un cabinet qui va nous permettre, avant même de être chauffeur d'État, avoir une autorisation qui va te permettre de conduire... Et encore, à poser des questions avant, d'identifier ça, d'avoir le papier. Monsieur Mohamed Nafiou, commandant de la circulation routière de la police nationale, quels pourraient être les motifs de ces accidents Les motifs de ces accidents, vraiment, c'est le non-respect de la réglementation du code de la route, comme l'a dit le directeur du transport, la méconnaissance du code de la route, la conduite des jeunes, des mineurs surtout, donc euh, la consommation de la drogue. c'est ce qui, qui est à la base de ces fléaux-là. Alors, euh, beaucoup de personnes se plaignent sur la manière dont ces conducteurs circulent dans la ville. Donc, ils disent euh, qu'ils conduisent sans permis. C'est vrai C'est vrai. J'ai disais tantôt la conduite des mineurs. Un mineur, le directeur est là. Un mineur n'est pas habilité à avoir son permis de conduire. Un mineur. Vous allez voir un mineur de 13 ans au guidon d'un tricycle. Donc il n'est pas habilité à avoir son permis de conduire. Le problème, c'est les exploitants. Ceux-là qui recrutent n'importe comment, qui recrutent n'importe qui. Les exploitants des tricycles. Voilà le problème. Merci beaucoup, monsieur le commandant. Euh, je le disais euh, tout à l'heure qu'à part les accidents, les clients accusent aussi certains conducteurs d'être de connivence avec des voleurs je vais vous inviter à suivre euh, le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Maradi, le procureur sortant, qui annonce l'arrestation de plusieurs conducteurs pris en flagrant délit de vol. On va l'écouter. Des gens vont avec des d'état pour voler des animaux. D'autres gardent l'engin à la porte de la concession et dès qu'un vol est commis, ils aident les voleurs à s'enfuir et de ce fait, il arrive ait des courses-poursuites pour se reviennent dans la ville avant de leur mettre la main. Aujourd'hui, cette situation est en train de prendre une autre tournure, en ce sens qu'il faille prendre des mesures idoines contre cela. Et le plus gros problème auquel nous faisons face, c'est que le propriétaire du AD d'État, des fois, ne connaît même pas celui qui commet le vol, parce que les vrais chauffeurs, pour se reposer, donnent l'engin à des amis qui le plus souvent sont impliqués dans ces vols. Alors nous allons prendre des mesures contre les vrais propriétaires de ces motos en leur appliquant les amendes et la moto sera saisie pour une remise en vente comme la loi le permet. Alors, vous venez d'entendre le procureur sortant. Ah. J'ai entendu le témoignage du procureur. Donc, au euh, niveau de la DRPN, il y a un service euh, chargé de euh, la police judiciaire et des affaires administratives dirigé par un commissaire de police. Donc, en cas de vol, si dans le cas où la victime relève le numéro du tricycle impliqué dans l'affaire du vol. Donc, euh, il nous renvoie le numéro. Au niveau de l'unité de la police routière, nous, notre rôle, c'est de rechercher le tricycle et le mettre à la disposition de ce service-là. Et c'est eux qui continuent leurs investigations jusqu'à démanteler le réseau. Et ils ont vraiment, ils ont démantelé beaucoup de réseaux. Je ne peux pas vraiment donner les chiffres, mais vraiment, le commissaire et son équipe il y a une brigade de recherche vraiment efficace. Ils ont démantelé beaucoup, beaucoup de réseaux impliquant des tricycles dans des affaires de vol. À titre illustratif, une fois, un pilote de tricycle, il a volé, je ne sais pas, c'est du bétail. Donc, euh, moi, j'ai vu le tricycle, j'ai vu le monsieur, il a couvert le bétail avec euh, euh, un tapis, un grand tapis. Vraiment, ça, j'ai été témoin de ce fait-là. Euh, monsieur le Président de la Fédération des conducteurs, euh, alors vous avez entendu le procureur. Qu'est-ce que vous avez à dire euh, par rapport donc, à ces propos du procureur À chaque instant, on nous dit cela. Dans chaque secteur, il y a des mauvais et des bons. Mais c'est bien normal puisque même si un tricycle n'est pas un voleur, il peut être complice. Puisque du moment que si on voit la personne conduire une moto à 1h du matin et on est avec des marchandises euh, ou des, des matériaux qu'on ne peut pas imaginer. Donc ça être sûr qu'il est complice de l'affaire. Est-ce que euh, vos militants font partie de ces personnes interpellées Je ne peux pas dire oui et je ne peux pas dire non. Puisque un voleur, il faut qu'il qu'on l'attrape euh, la main dans le sac. Et combien de fois on a arrêté des gens qui ont été filmés cela Donc il y a des gens à qui ils sont inconscients, ils le font. Suite à ça, que nous voulons maintenant avec l'appui de la mairie faire un calendrier de permanence auquel tout celui qui va travailler dans la nuit, il faut qu'il soit enregistré, soit à la commissariat, à la gendarmerie ou bien à la mairie. Donc tout celui qui a été interpellé et qui n'est pas dans la liste de, la permanence, donc le responsable c'est un voleur, nous on n'a rien à voir avec ça. Et encore, on profite encore euh, prochainement de faire une carte auquel que tout tricycle doit s'être adhéré avec la carte là. Dans le cas, si on la on la tape, et euh, on, l'arrête, ah, il n'a pas la carte, donc il n'a pas un tricycle. vous êtes d'avis que ce tricycle cause des désagréments dans la ville Moi, ça ne m'étonne pas, puisque eh, il est arrivé à un certain moment où même nos voisins qui viennent avec leur AD d'État pour faire l'activité à Maradi. Donc ça ne, ça ne me surprend pas, puisque je sais comment sont les gens. Et on voit la catégorie des personnes, on voit la catégorie des, conducteurs de AD d'État. C'est des, enfants impossibles, on leur achète AD d'État pour s'en débarrasser. Et ils sont capables de tout. surtout un, un AD d'État qui consomme la drogue. Dans cette dernière partie de ce forum, nous allons voir les voies et moyens à suivre pour faire face aux désagréments causés par ces engins de la ville. Euh, commandant Hassan Hiro, depuis euh, quelques mois, vous avez commencé une opération de régularisation des tricycles euh, avec des numéros. Qu'est-ce qui vous a incité à faire ce travail C'est à la suite de multiples plaintes vols, accidents avec des lits de fuite, les autorités municipales, en collaboration avec les syndicats des tricycles, ont décidé de changer le numéro. Au lieu de numéro portière, on a mis le numéro avant et arrière. Avant, dès que tu arrêtes un tricycle, déjà avant son arrivée, tu as vu le numéro. Arrière, même si tu as déposé les parties, tu vas prendre le numéro et tu le communiques à la ville. On a pu déceler de nombreux voleurs ou bien ceux qui ont commis des accidents avec de l'huile de fuite et on les a communiqués à qui de droit. Et on a eu beaucoup de malfaiteurs. L'opération continue Ça continue toujours. Chaque jour, dès qu'un client a perdu son bagage ou bien a été victime d'un accident de circulation, si le tricycle a été enregistré à la ville, on communique le numéro aux autorités qui sont chargées de l'affaire et ils continue les investigations. Merci beaucoup, mon commandant. Alors, euh, Amin Abdoulaye, comment avez-vous accueilli cette opération de de reprise de numéro de l'État. Selon vous, est-ce que c'est efficace pour lutter contre euh, tous les problèmes qui sont liés à votre métier Du moment qu'on a travaillé en étroite collaboration avec eux, puisque c'est l'événement d'une nouvelle équipe syndicale qui est venue. Donc, ils sont réunis avec euh, la mairie pour voir le voie et moyens pour arriver à un point d'arrêter ces genre de trucs qui ne sont pas bons à la population. Mais de tout ce qu'on va dire là, on va dire beaucoup de choses c'est l'affaire de l'ADDETA Nous voulons assez que les responsables se réunissent pour mettre fin à la situation qui n'est pas bonne. Il pour que ce soit une activité rentable et organisée en faisant un forum. Puisque la question, ce n'est pas seulement à Maradi. À part Niamey, toutes les régions du Niger, c'est à et même dans les chefs-lieux de région et de département. Donc maintenant, avec la société civile et les autres responsables, nous voulons assez qu'on se réunisse pour qu'on cherche les voies et moyens pour avoir un statut à la situation de d'État. Puisque moi, clairement, personnellement, j'ai dit que vraiment Adeda jusqu'à présent n'a pas un statut, puisqu'il est différent des taxis tout territoire Il faut que ça soit colloqué de conditions qui vont permettre aux jeunes de bien travailler et de bien gérer ça par l'État et encore le syndicat. Puisque ce n'est pas un travail que le syndicat peut gérer. Tout ce qu'on voit, tant qu'il n'y a pas l'appui de l'autorité, on ne peut rien faire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. M. Euh, monsieur euh, Salissou, soutenant qu'est-ce que euh, la direction fait pour prévenir ou gérer la situation des d'État D'une manière générale, nous sommes toujours euh, du côté de nos partenaires, donc du secteur de transport, que ce soit les AD d'État, que ce soit les, les autres syndicats, effectivement, et nous les accompagnons dans le sens de réorganiser souvent un certain nombre de conflits, et surtout internes, et aussi euh, un certain nombre de conflits entre les usagers aussi. Alors, pour le cas des AD d'État, si vous voulez, donc nous, euh, nous avons eu cette audace d'aller rencontrer les autorités municipales pour attirer leur attention par rapport à la réglementation en vigueur. Parce que je le disais tantôt, le maire octroie le titre de transport sur proposition du directeur des transport. Sur proposition. Autrement dit, le directeur de transport étudie les dossiers du demande des de, de, de, et, et quand il étudie, si le dossier est bon, il offre au maire et le maire octroie le titre de transport. Si le dossier n'est pas bon, il le rejette. Le directeur de transport travaille avec la police pour mettre à disposition au maire donc, euh, les, les bons dossiers. Donc là, nous en avons parlé au maire. La sécurité routière, d'abord, c'est la fluidité. La fluidité, c'est que suppose que tous les éléments de la sécurité routière doivent se conformer à la règle de la sécurité. Si un élément n'accepte pas ou bien un élément boycotte cette circulation ou bien cette fluidité. Et alors, c'est ce que nous sommes en train de constater tous les jours. Des accidents par-ci, des accidents, souvent même des accidents inimaginables. Moi, je peux vous dire qu'il y a un accident qui, s'est passé, qui a mis en cause un tricycle, et dont euh, euh, euh, une femme, la, la femme qui a été tuée là. C'était un accident horrible. Une vieille femme, je crois que c'est, dont la tête a, vraiment écrasé les, les pavés. C'était un accident vraiment horrible, n'est-ce pas Encore une autre chose, si vous constatez et, aujourd'hui au niveau de la police, mais, mais la police euh, de la circulation routière, elle est, elle même, euh, elle ne sait même pas comment faire avec ces aides d'État. Vous voulez dire qu'elle est dépassée Parce que le nombre. Non, le nombre d'aides d'État. Dans la réglementation, la mairie doit contrôler le nombre. C'est comme ça, ça doit, la mairie doit contrôler le nombre parce que le titre de transport est octroyé deux ans renouvelable. Ça veut dire qu'on contrôle le nombre. Même s'il y a autant de demandes, on peut refuser. On peut refuser la demande. Parce que, parce que on va faire, c'est un rapport qu'il faut faire entre deux coups d'opportunité il y a le coût d'opportunité économique, ce que la population va gagner, ce que les gens d'État vont, vont, vont, devenir. C'est vraiment, euh, euh, euh, comment on appelle, c'est des emplois qui ont été créés. Ça, c'est un coût d'opportunité économique. Mais il y a aussi un coût d'opportunité sécuritaire, surtout la sécurité résiduelle. Tout à l'heure, on parlait de vol de nuit, c'est dans l'État que ce vol s'est perpétré. Donc voilà, on doit faire un rapprochement entre ces deux coûts d'opportunité. Et alors, doit-on prendre le risque de, laisser notre population dans l'insécurité Doit-on prendre le risque de laisser notre population de l'insécurité résiduelle Et alors moi je dirais non. Je dirais non. Il y a lieu vraiment euh, euh, aux autorités de, vraiment de dire euh, hop, c'est fini pour cette pagaille de, de circulation. Donc de régler cela de façon définitive. Mais il faut que, avant que le d'État soit avant que soit en sécurité, il doit être à l'aigle. C'est clair, il doit être à règle. Donc là, vous allez voir que ça va réduire de façon significative tous ces mots que nous sommes en train de citer. Merci beaucoup, monsieur le docteur. Un instant, un instant, on va, revenir, on va continuer sur le même euh, sujet. Maman Nafiou, comment faire en sorte que les tricycles soient plus profitables aux populations avec moins d'accidents et moins d'agressions et de vols aussi, selon vous donc, euh, pour qu'il soit vraiment plus profitable, il faut associer tout le monde. Je m'explique. Donc, euh, vous, les médias, d'abord, ce, débat, vraiment, c'est euh, a une grande utilité. Ce genre de débat a une grande utilité. Vraiment, il faut associer les exploitants d'abord, les syndicats, les autorités, vraiment pour que leur activité vraiment soit plus profitable. Mon commandant, merci. Abdou Neto, selon vous, comment régler définitivement la situation des aides Vous savez, tout ça là, c'est facile. Hein? Très facile même. Il suffit de se conformer à la loi. Et qui dit la loi Tout à l'heure, vous avez entendu le directeur des transports quand il, disait ce qu'il faut. Il y, a, il y a la loi qui a tout réglementé, il suffit de la sortir. Et maintenant, de voir euh, la mairie, elle doit avoir les AD d'État, la police nationale, la direction des transports. Comme ça, on explique aux propriétaires de AD d'État, quand vous avez un AD d'État, voilà ce que vous devrez faire. D'abord le dédouaner, l'assurer, faire la visite technique, se conformer. Dès qu'on se conforme à la loi, tous ces problèmes-là seront résolus. Et là, quand vous voyez les délits de fuite, là où il y a délit de fuite, ça veut dire que le gars n'est pas en règle. La reprise des numéros, je pense qu'elle n'a pas servi à grand-chose. Puisque je me rappelle bien, j'étais parti pour un accident. Un neveu a eu un accident à la police. J'étais parti pour voir euh, la situation. Il y a un aide d'État qui, qui est venu vers moi pour voir le, commandant. Malheureusement, il a fait deux numéros deux d'État avec un numéro, un même numéro. Donc ça veut dire qu'il y a fraude. Et quand il y a fraude, ça signifie qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc voilà pourquoi je dis euh, elle n'a pas servi à grand-chose. Pour se conformer, vraiment, c'est de faire ce que le directeur des transports a dit. La loi, elle l'a dit, elle l'a précisé. des d'État remplace tête rouge, donc il faudrait qu'il se conforme. Se conformer, c'est quoi C'est se mettre en règle. Se mettre en règle, c'est quoi Ça veut dire qu'il faut assurer d'abord le, le, tricycle, puisque je sais bien que la mairie leur a fait euh, une rallonge. Une rallonge comment Il y a des adhérents d'État qui ne sont pas des douaniers, mais ils s'assurent. Le conducteur, il a son permis de conduire. On ferme un œil. Malgré que le président tout à l'heure dit la, la mairie gagne son compte. Alors que là, c'était pour arranger à des d'État. Mais elle arrange à des d'État, elle n'arrange pas à la personne elle n'arrange pas à la population de, la ville. Puisqu'en cas d'accident, je dis bien, parce qu'il faut toujours mettre ça en tête, en cas d'accident, c'est comme si le AD d'État n'est pas assuré, c'est comme s'il n'a rien, s'il n'a aucune pièce. Tant qu'il n'y a pas cette visite, de euh, euh, cette visite technique, la visite technique, c'est elle qui dit tout. C'est elle qui assure euh, le tricycle et elle, elle, assure aussi la population. Parce qu'on peut avoir le permis de conduire, on peut avoir l'assurance, Tant qu'il n'y a pas la visite technique, c'est comme zéro. L'assurance n'est pas prise en charge. Mais quand il y a la visite technique, il y a tout ce qu'il faut. Donc, elle est prise en charge en cas d'accident. Le gars, il, il, est conscient, il est, tranquille. Et même eux, ça leur permettra de suivre euh, tranquillement leur chemin, puisque euh, euh, la cause de l'accident, c'était quoi ils ne, sont pas, ne sont pas en règle, la police est là, pop, ils contournent. Et en contournant, c'est là où il y a les accidents. Alors rapidement, rapidement, nous allons faire un tour de table. Est-ce que selon vous, la situation pourrait s'améliorer avec les différentes actions que vous venez chacun de citer Monsieur le directeur adjoint des transports, une minute, rapidement. voilà, oui, rapidement. Et donc moi, je suis, euh, je suis optimiste, effectivement. Donc, euh, et tout à l'heure, euh, Abdou disait que pour que tout rentre dans l'ordre, il faut qu'on respecte les dispositions réglementaires. Et c'est tout, il faut respecter la loi. Voilà. Monsieur le commandant de la police nationale Je suis optimiste. Vraiment, il faut. Euh, j'appuie la déclaration du directeur. Vraiment, il faut que les tricycles soient en règle. Mon commandant adjoint de la police euh, municipale de la ville de Maradi. Vous êtes optimiste Oui, avec l'application de la loi, accompagné du forum que le président a soulevé. Ça peut aller. Monsieur le Président, merci. Moi, avant de répondre à la question, d'abord, j'ai quelques mots à dire d'abord. Et quelle que soit la situation, le dépôt ou la bonté de ces jeunes-là sont le produit du Niger. Ils sont des Nigériens. Un. Deuxièmement, il faut d'abord parler de l'utilité, de l'importance ou bien de l'appui à les à amené dans la région de Maradi. Et encore, quel appui elle a donné à l'Amérique comme recette qui contribue au développement de la région Rien que cette année, on a investi 24 millions dans le budget. Donc on a joué un rôle très important. On ne peut pas dire qu'on doit être bon dans tous les sens, mais ce qui attire l'attention de l'autorité, ne pas condamner ces gens-là. Il faut les appeler à le mettre à l'ordre et à le faire respecter la loi, à les formant et à les initiant à respecter et à être les, gens, euh, les, hommes de demain. Puisque même si maintenant, si on n'a pas réussi, on continue à les, à les coincer, à les, comment dirais-je, à les dire de n'importe quoi sur eux, le vent s'est déroulé et se débander. Donc il faut qu'on les attire, qu'on leur fasse part qu'ils sont des jeunes et on doit leur donner une bonne éducation pour qu'ils soient les zones de demain. Merci beaucoup, monsieur le président de la Pardon, Fédération. De, il faut euh, je voudrais juste répondre rapidement. Je voudrais juste répondre. oui, oui. Je voulais répondre à, sa réaction. Euh, non, ce n'est pas un problème, c'est juste une réponse. Hein, pas... Hein? hein? d'abord. D'accord, je voulais juste lui répondre. Est-ce que, vous, est que selon vous, la situation pourrait <laughs> s'améliorer Oui, elle s'améliore dès qu'on se conforme à la loi. Mais lui, il disait qu'ils ont mis beaucoup de sous. Non, ce n'est pas les sous. Ils ont tué combien de personnes la vie d'une personne, ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'ils ont mis dans, le compte de la mairie. Donc vraiment, c'est de se conformer à la loi pour améliorer même leur, situation, pour améliorer leur profession. Merci Daneto, monsieur le docteur, on va, on va devoir... Non, non, non, ce que je voulais dire là, c'est ce que a dit. Oui, oui, si voulez, je voulais faire juste le, 24 millions à comparer à, <laughs> à ce que la mairie même a financé pour euh, l'infrastructure. Il faut voir un kilomètre de route, ça, coûte combien Après, il faut 24 millions. Vous, restez tous, euh, vous mhm. restez tous optimistes quant à l'amélioration de la situation. Alors, nous allons vous dire euh, rendez-vous alors en fin 2022 pour apprécier le bilan. C'est ici que s'achève notre forum sur l'usage des taxis mototricycles à Maradi, quel apport dans le transport urbain. En conclusion, nous retenons que le secteur euh, des tricycles à l'État est un moyen de lutte contre le chômage des jeunes. Cependant, les autorités à tous les niveaux euh, doivent s'investir afin de mettre de l'ordre euh, dans le secteur. Merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence dans ce studio. Nous étions donc avec euh, Monsieur Salih Soutouna, directeur régional adjoint des transports, le commandant de la police municipale de la ville de Maradi, Mohamed Nafiou, commandant de la circulation routière de la police nationale, Amin Abdoulaye, président de la Fédération des syndicats des conducteurs à d'État de Maradi. Merci, Monsieur le Président. Abdou Deneto, président de l'Association des consommateurs de Maradi. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention. À la prochaine.